forum district the forum district kalangu the forum district kalangu the forum district kalangu the forum is kalangu the forum district the forum is kalangu the forum district Il est 18h15 à c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette euh, émission radiophonique euh, de Kalangou qui vous permet de trouver des éléments de réponse à des questions d'ordre socio-économique et politique que vous vous posez souvent dans la vie courante. Nous rappelons d'abord que les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz et en Fanny FM 100 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau dynamique de nos radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Dolbel et Et depuis le début du mois d'août 2017, le réseau de diffusion des programmes du studio Kalangu s'est étendu aux auditeurs de Tanout, de Madawa, de Dakoro, de Dogonduchi, de Walam et de Kwartagi avec la radio Scout dans le deuxième arrondissement communal de la ville de Niamey. Notre page euh, Facebook, c'est Studio Kalangu. Notre site internet www le phénomène de l'ensablement du fleuve Niger, c'est le thème du forum de ce soir d'une longueur totale d'un peu plus de 4200 km. Le fleuve Niger traverse le territoire nigérien sur environ 550 km. Fleuve constituant le troisième plus grand de tout le continent après le Congo et le Nil. C'est en effet cet important cours d'eau qui va jusqu'au centre du continent d'un intérêt vital inestimable pour plusieurs populations des pays qu'il traverse qui connaît de plus en plus ce phénomène d'ensablement. Une menace qui présente aussi des inquiétudes au Niger, principalement dans les trois régions qu'il traverse en permanence, à savoir Tilaberi, Niamey et Dosso. Et nous le savons, ce sont des centaines de milliers de personnes qui tirent leur source de revenus à travers les diverses activités pratiquées tout au long de ce cours d'eau qui les alimenta. Il s'agit entre autres de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, le transport, etc. Eh bien, c'est ce grand cours d'eau qui, depuis quelques années, se retrouve dans une situation d'ensablement. Depuis quand ce phénomène a-t-il commencé Quel est son lien avec les changements climatiques Quel est le niveau des plaidoyers par rapport à ce phénomène, notamment avec les structures de la société civile Si des solutions urgentes ne sont pas trouvées dès à présent, ce fleuve risquera-t-il de disparaître un jour, comme on le dit souvent Quelles sont les dispositions déjà prises par les autorités des pays concernés dans le but de pallier cette menace perceptible c'est à toutes ces questions que nous tenterons de trouver des éléments de réponse au cours de ce forum. Et pour en débattre, nous avons comme invité deux acteurs D'abord, euh, le lieutenant-colonel Siaka Umoru, qui est le coordonnateur du programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du fleuve Niger, une structure qui est au Niger sous la tutelle de la Direction générale des eaux et forêts du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième invité, c'est l'acteur de la société civile active dans le domaine de l'environnement, Issa Garba. Il est coordonnateur national du réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique. Monsieur Issa, bonsoir. Bonsoir, Michel. À la présentation, Michel Deji. Nous allons commencer avec vous, mon colonel euh, Siaka Umoru, coordonnateur du programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du fleuve Niger, une structure de lutte placée sous la tutelle, on le disait, de la Direction générale des eaux et forêts du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord ce que c'est ce phénomène euh, d'ensablement du fleuve euh, Merci. C'est nous qui vous remercions. je profite aussi euh, pour euh, vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau pour euh, entretenir nos auditeurs sur un certain nombre de problèmes mhm. qui concernent euh, l'ensablement du fleuve Niger. C'est vous qui êtes à remercier, mon colonel. Donc, euh, d'entrée de jeu, ce qu'il faut dire, c'est que l'ensablement est un processus au cours duquel les grains de sable transporter d'un lieu d'alimentation qui est la source mhm. sous l'effet des, écoulements, ça veut dire euh, l'érosion hydrique ou du vent appelé érosion aérienne. Mhm. Donc ces grains de sable s'accumulent et se déposent lorsqu'ils euh, rencontrent euh, un obstacle en traversant un terrain dénudé ou en se déposant dans les parties basses du terrain. Donc, euh, c'est le transport des grains de sable par euh, les écoulements. Mhm. Donc, c'est l'érosion hydrique, les écoulements euh, de l'eau. Mhm. Et les vents. Tout à fait. Ou, du des vents, mhm. ce qu'on appelle érosion éolienne. Et ces grains de sable s'accumulent et se dépose quand il rencontre euh, un obstacle sur un terrain qui est déjà mhm. euh, dénudé ou bien dans des parties basses euh, du terrain. Donc c'est ça le processus. Monsieur Isagaba, vous êtes vous très actif dans ce domaine de l'environnement. Comment vous appréhendez cette question de l'ensablement du fleuve Niger qui a longtemps été une question préoccupante euh, merci euh, Michel de l'opportunité que vous donnez euh, chaque fois pour nous exprimer en ce qui concerne les questions liées à l'environnement. Mhm. merci. Surtout, il faut remercier aussi le colonel qui représente l'administration parce que c'est pas facile souvent d'avoir l'administration au cours des débats. Tout à fait. Il a pris le courage à bras ouverts pour venir à ce débat. J'espère que ça serait aussi un débat de plaidoyer pour que vraiment les partenaires puissent se mobiliser, que ça soit un cri de cœur pour sauver vraiment le joyau que nous avons, le joyau hydrique que nous avons, qui est le fleuve Niger. Mhm. En ce qui concerne euh, ta question, Michel, aujourd'hui, ce phénomène, nous ne pouvons pas euh, le soustraire de ce que nous connaissons comme événement climatique ou bien euh, bouleversement climatique mhm. que ou bien la mutation climatique que le monde entier est en train de, de, vivre aujourd'hui, mhm. qui est aujourd'hui euh, sur toutes les lèvres, qui est la question des changements climatiques, dont vient s'ajouter aussi le phénomène euh, euh, qui est un phénomène naturel qui n'a rien à voir avec le phénomène anthropique, qui est la variabilité climatique. Et en dehors aussi des de sachets plastiques, il y a aussi la question aussi de la jacinthe d'eau qui est là, c'est un véritable problème d'ici peu de temps parce que si nous ne faisons pas attention, selon les experts et qui ont, <coughs> qui ont émis des cris d'alarme en ce qui concerne le fleuve, mm. dans 50 ans, le fleuve risque de se retirer totalement et que il y aura véritablement un, sérieux problème en ce qui concerne l'irrigation même euh, ici au Niger. On verra ça également avec euh, mon colonel, euh, l'ensablement du fleuve qui est considéré être également une des causes des inondations par les populations riveraines qui ne comprennent pas le pourquoi de la recrudescence de ces inondations ces dernières années, notamment à chaque crue du fleuve. Suivons d'abord à ce propos le chef de canton de Lamogdé, c'est à la rive droite de Niamey, sur ce qu'il en pense par rapport à ces inondations auxquelles sa population, comme d'autres, sont exposées. Mustapha Hassan Diallo, chef de canton de Lamogdé, a été joint au téléphone par le studio Kalangou suite aux premières inondations enregistrées par la ville de Niamey. C'était à la mi-septembre. On l'écoute. Le problème, c'est que le fleuve sans sable, il y a beaucoup de sable dans le fleuve. Ils sont en train de faire tout, pour, en tout cas, pour empêcher, en tout cas, l'inondation des riverains de, ce fleuve-là. Mhm. Ils sont en train de faire leur mieux, mais ce qui est sur la digue, c'est un palliatif seulement. Ça ne peut pas être une solution définitive au problème d'inondation des riverains de fleuve. Ça, tout le monde est conscient faut que les une autre solution, puisque le fleuve, c'est un sable. Et, au fur et à mesure que le, fleuve est un sable, l'eau va monter, bien sûr. Donc la digue, ce n'est pas la solution. On va, on va réfléchir après la saison. Le chef de canton de Lamordé, c'est à la rive droite dans euh, le 5e arrondissement de la ville de Niamey. Monsieur le coordonnateur du programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du fleuve Niger, est-ce que c'est véritablement ce ensablement du fleuve qui accroît les risques d'inondation pour les populations riveraines? Oui, tout de suite euh, dans mon intervention, mhm. j'avais donné juste la définition du phénomène d'ensablement. Donc, euh, ce qu'il faut, ce qu'il faut retenir, c'est que vous savez depuis les années 80, nous avons constaté que le fleuve, à un certain moment, s'est arrêté même de, s'écouler. Mm-hmm. Vous vous rappelez quand le président Ali Chebou a demandé de, mm-hmm. de réaliser le bâtardeau. Donc, depuis ce temps, nous avons constaté que suite euh, au récurrentes, récurrente, mm-hmm. à la pression humaine et animale, c'est-à-dire la pression démographique, il y a une rareté des espaces euh, boisés, mhm. si bien que le sol s'est complètement dénudé. Mhm. On a assisté à une dégradation poussée euh, de ces sols, si bien que toutes les eaux qui tombent sont directement ruisselées ou bien en tout cas chargées de particules et dirigées vers le fleuve. Mhm. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce phénomène est très inquiétant, si bien que eh, le, lit du fleuve s'est complètement eh, enseveli mhm. eh, par des sables, par des dépôts éoliens et des dépôts hydriques. Mhm. Il y a des bancs de sable qui se sont fermés. Le lit qui tend à se fermer. Donc les eaux n'ont plus n'ont plus la, possibilité d'occuper, en tout cas, ces lits-là, mhm. si bien que, eh, comme le, lit n'est pas profond, les eaux s'étalent et créent des inondations un peu partout. Mhm. Vous savez que ça, c'est une fonction du fleuve. Mhm. C'est une fonction de régulation des inondations. Et le fleuve, aujourd'hui, n'est plus à mesure de jouer pleinement ce rôle. Si bien que les les eaux sont débordées et crée des inondations un peu partout. Et partout, vous entendez que les habitations sont inondées, mhm. les champs, et en tout cas, euh, beaucoup de, choses dont, dont l'homme jouit aujourd'hui. Donc c'est ça qui crée euh, effectivement les inondations. On peut donc admettre euh, ce qui vient d'être dit par le chef de canton de Lamodé. Ces inondations sont provoquées en partie par euh, ce phénomène d'ensablement. Quelle réaction par rapport à cette inquiétude, Issa Merci, euh, Michel. Effectivement, c'est-à-dire, c'est normal. C'est, le fleuve, c'est comme un récipient. Quand vous mettez quelque chose de, qui, a, qui a un poids, qui est hum. solide, et, qui est solide, naturellement, ça, déborde. Donc, en fait, aujourd'hui, la profondeur du fleuve a totalement diminué au point où vous voyez des petits enfants qui peuvent, même en période de crue, peuvent traverser le fleuve sans aucun risque. Il y a des risques. non, il n'y a pas de, non, il y a pas de risques. Quand je dis, quand je dis des petits enfants, c'est-à-dire les enfants qui sont des enfants riverains. je ne parle pas, je ne parle pas de toi et de moi qui ne connaissons pas l'eau. Je parle des enfants. Mhm. Et c'est-à-dire la profonde, il n'y a pas de profondeur parce que c'est ensablé. Mais il y a des zones à risque, on veut dire, pour que les gens ne tentent pas de Il ne mhm. manque pas, il ne manque pas, il ne manque pas des endroits où il y a effectivement la profondeur. Mais il y a des endroits où on ne peut même pas parler de profondeur. Et naturellement, le fleuve ne fait que déborder. Mais quelque part, quand on parle d'inondation, il faut comprendre aussi, c'est comme si le fleuve a débordé de sa place initiale pour venir trouver euh, pour, pour, pour, une autre une nouvelle place. Mhm. Alors que quand tu regardes dans le cas Aujourd'hui, dans le cas précis, ce n'est pas ça. Le, le, colonel a parlé de, des années 80, 84, où il y avait eu les grandes chasseresses, mhm. où il n'y avait pas pratiquement eu de pluie. La, le fleuve s'est totalement retiré, le fleuve ne coulait pas. Mais les gens ont profité de cette situation pour venir s'installer sur les lits du fleuve. Mhm. Et on construit sur les lits, on fait des habitations sur les lits du fleuve. Aujourd'hui, le fleuve n'ayant pas la même profondeur, parce qu'en sablé, quand euh, à, cette période de crue, mais le fleuve déborde. Et quand ça déborde, l'eau a toujours tendance à, faire, à se créer son propre chemin. Et comme le disent l'adage en german, Germain, Donc il suit toujours son chemin naturel que, vraiment que la nature lui a tracé. Mm-hmm. Donc il s'est avéré qu'il y a des gens qui ont construit sur le chemin du fleuve, mm-hmm. et maintenant ils seront forcément inondés et on parle d'inondation. En réalité, quand tu regardes dans les faits, quand tu regardes scientifiquement, ce ne sont pas des inondés. Donc, en fait, c'est ça le grand problème. Effectivement, le fleuve, ce n'est pas la même profondeur quand vous prenez avec les années 70, les années 60 ou bien les années 50. Aujourd'hui, ce n'est pas la même profondeur. Nous avons vu, mon colonel, euh, le chef de canton, il est inquiet. Il dit quand même euh, l'affaire de Digla chaque année, ça revient. Ce n'est pas une solution. À votre niveau, vous êtes en train euh, de voir les solutions qu'il faut. Parlons donc à présent de vos actions en termes de politique de lutte euh, contre cet ensablement du fleuve. Dans quel contexte votre structure a d'abord été créée, c'est-à-dire le programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du fleuve Niger Oui, le programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger mhm. est né de la volonté des chefs d'État euh, membres de l'ABN, Autorité, du bassin, du, Niger. Mhm. Et suite euh, aux différentes menaces constatées mhm. sur ce fleuve, sur ce joyau qui traverse un certain nombre de pays, et dont aujourd'hui, euh, il y a neuf pays Mhm. qui sont dans le bassin euh, du Niger. Et tous ces neuf pays bénéficient des avantages de ce fleuve-là. Si bien que, suite euh, à, ce constat, donc je disais, les chefs d'État se sont réunis et ont décidé de créer un programme mhm. qui peut, euh, en tout cas, lutter ou bien freiner un peu le phénomène d'ensablement de ce fleuve. Hum. C'est juste à ça que le, programme de lutte contre l'ensablement a été créé hum. pour une première phase qui a travaillé de 2005 ça a été à créé en 2005. 2005 à 2011. Hum. Et suite aux résultats satisfaisants que ce programme a donné, et l'IMOA a financé une seconde phase de consolidation que nous appelons phase de consolidation, qui devrait et en tout cas se, se, réaliser de 2012 mhm. à 2015. Mais jusque-là, nous sommes dans cette phase de consolidation compte tenu du fait que le nouveau programme et les préparatifs de nouveau programme ne sont pas encore euh, à terme. Mhm. Et au cours de cette première phase, nous avons eu à réaliser plusieurs activités mhm. de lutte contre l'ensablement, à savoir les activités de fixation des dunes, mhm. puisque quand vous allez sur la rive droite, vous allez constater un cordon dunaire déjà à partir euh, à partir du poste de, poste de police vous mhm. allez constater ce cordon dunaire qui pratiquement continue jusqu'au Mali mhm. donc nous avons eu à des, fixations des dunes sur les plateaux puisque le phénomène ça quitte les plateaux pour venir au fleuve les plateaux, c'est des, des, des c'est des zones où l'eau ne peut plus s'infiltrer. Donc il faut trouver un moyen pour casser la croûte là et permettre à l'eau de s'infiltrer et, être utile à des plantes. Et aussi freiner la vitesse de l'eau pour, ne pas venir faire des dégâts euh, en aval. Donc, mhm. euh, sur les plateaux, nous avons eu à faire des récupérations des terres, surtout les banquettes, les demi-lunes, et plusieurs autres ouvrages anti-érosifs. Et au niveau des courries, nous avons eu affaire euh, des gabions, des seuils, accompagnés, tous ces, tous ces ouvrages ont été accompagnés soit d'ensemencement ou bien de, de plantation mm-hmm. d'arbres. Donc, euh, mais malheureusement, il faut le dire, c'est un programme pilote qui a travaillé pour une première phase sur, au Niger par exemple, puisque la première phase a travaillé dans trois pays au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Au Niger, nous avons travaillé eh, principalement dans les communes de Namaro, Bitinkoji et la commune 5 mhm. de Niamey. Donc vous voyez, c'est environ sur 60 km seulement mhm. si on fait eh, une évaluation. De, la distance. Donc, 60 km, c'est 550 km, comme vous l'avez dit, c'est pratiquement insignifiant. Donc c'est pourquoi nous avons envisagé de créer un grand programme, mhm. cette fois-ci qui va couvrir tous les neuf États mhm. de, l'ABN et qui va en tout cas eh, essayer de faire beaucoup de réalisations qui vont concourir eh, ou, en tout cas au freinage ou bien diminuer le processus d'ensablement du fleuve. Mhm. Vous avez dit, on le sait, il y a donc neuf pays. Il s'agit du Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, euh, le Nigeria et le Tchad. À quel niveau euh, ce phénomène est beaucoup plus euh, inquiétant, ce phénomène d'ensablement du fleuve, mon colonel Ce phénomène est inquiétant surtout de la partie sahélienne du mhm. fleuve. Quand on prend le Mali, le Niger, le, Burkina, Faso, il y a aussi les pays comme le Tchad. En mhm. tout cas, la, la, bande sahélienne, mhm. c'est surtout eh, dans cette bande où le phénomène est inquiétant. Mhm. C'est pourquoi la première phase, vous avez vu, ça a concerné le Burkina, le Mali et le Niger, parce qu'on pense que dans ces trois États, ce phénomène est plus récurrent. Donc, euh, mais il y a des activités aussi. Il ne faut pas traiter seulement là où et on pense que le phénomène est, est, est, crucial, il faut aussi prévenir là où le phénomène n'est pas encore accentué. C'est pourquoi on a étendu le programme sur tous les, neuf États. donc, euh, et ce programme euh, sera exécuté sur une durée de cinq ans, mmh. Inch'Allah. Et on pense que les activités qui sont prévues, puisque déjà le document du projet est prêt, tout est pratiquement euh, fin prêt, il reste seulement quelques petits détails qu'il faut éclaircir mm. et même le financement est pratiquement, est pratiquement acquis mm. et on pense que euh, d'ici euh, le début ou bien le premier semestre 2018, Inch'Allah, le, le programme là aura, verra le jour, Inch'Allah. Quel lien a fait le lien avec euh, le changement climatique à votre niveau Quel lien faites-vous entre l'ensablement euh, du fleuve euh, et le phénomène de changement climatique Oui, le, le, phénomène de changement climatique. On peut dire qu'ils sont liés les deux Bien sûr. Mm. Aujourd'hui, tous les phénomènes que nous constatons, les phénomènes de dégradation des sols, les phénomènes de de, de sécheresse, mhm. tout ce que euh, nous vivons aujourd'hui est lié au changement climatique. Mhm. Si bien que c'est pourquoi toutes les activités que nous essayons de mener, c'est dans le cadre d'atténuation de ces changements climatiques. Mhm. C'est pourquoi euh, aujourd'hui, euh, comme je le disais, le nom du programme même, vous avez entendu, il y a un aspect changement climatique. Il y a des mm-hmm. activités d'atténuation des changements climatiques et d'atténuation de la vulnérabilité des, populations par rapport euh, à l'utilisation à l'utilisation des ressources et par rapport euh, aux activités quotidiennes qu'elles mènent euh, sur le terrain euh, comme euh, la culture, comme l'élevage, comme les autres pratiques telles que la pêche, ainsi de suite. On a l'impression que la population contribue à cet ensablement du fleuve. Quelles sont les actions qu'il y a lieu de bannir, les actions humaines hein, du côté des populations riveraines, mon colonel Oui, et on l'avait, expliqué euh, au début. Mhm. avec mon, collègue de la, monsieur, de la société civile. La société civile. Mhm. Comme on l'a dit, la pression, aujourd'hui, la pression dans euh, le bassin du Niger est, très, est très accentuée, mhm. surtout en ce qui concerne euh, les activités humaines, telles que la culture, telles que euh, les pratiques pastorales, mhm. telles que la pêche, telles que l'exploitation de tous les produits forestiers. Si bien qu'aujourd'hui, cette pression a considérablement eh, entamé ou du moins eh, entamé la, végétation. Mhm. Donc euh, aujourd'hui, la végétation a considérablement diminué dans ces zones et cette diminution de la végétation, comme on l'a dit tout de suite, à partir de la définition de l'ensablement, cette, cette euh, dégradation a occasionné la formation des dunes mhm. dans la zone et a, cause, occasionné aussi euh, la glacification de beaucoup de terrains qui au départ étaient des terrains, des terrains agricoles. Mhm. Donc euh, toute cette pression a occasionné en tout cas l'ensablement du lit mhm. du, fleuve, si bien que aujourd'hui quand vous prenez par exemple euh, certains paysans, ils cultivent jusque dans le lit du fleuve, alors que dans la réglementation, il y a une certaine distance qu'on ah devrait respecter mmh. pour ne pas euh, euh, soulever le sable, comme l'ai dit, parce que même nos pratiques, les, outils que nous utilisons pour cultiver, mmh. tout ça à la suite des sols sableux, c'est des choses qui contribuent à, à remuer le sol et à provoquer le ruissellement de ces sables vers le fleuve. Est-ce que, vous arrivez, est que vous arrivez à intervenir pour leur euh, interdire cela oui, oui, justement, c'est ça, c'est ça, c'était ça notre rôle. Dans la mm-hmm. première phase, c'est des, c'est des choses sur lesquelles on a, on a formé les paysans, mm-hmm. c'est des choses sur lesquelles on a, on a formé beaucoup d'acteurs mm-hmm. qui aujourd'hui ont compris euh, le mécanisme, le processus d'ensablement et ce qui a fait que toutes les activités de, de lutte contre ce phénomène-là ont été expérimentés dans la zone. Mhm. Ça veut dire qu'il y a eu des améliorations. Il y, a eu, il y, a des améliorations, mais comme je, comme je l'ai dit, comme c'est sur une petite bande, mhm. on ne peut pas voir tout de suite les, les, les, faits et les impacts. Mhm. Mais si ça sera eh, un grand programme qui sera élargi pratiquement à toute la zone du fleuve, on peut sentir en ce moment les, les résultats et les gens peuvent les. Mais nous déjà, on sait que dans la zone, dans la zone, quand vous discutez avec la population, eh, la population va vous dire que ah, depuis qu'on a commencé à faire ces travaux de récupération des terres et de fixation de dunes, on a constaté que le ruissellement a diminué, on a constaté que la profondeur de certains coris eh, a diminué, on a constaté que les bandes de sable ne se forment plus comme eh, on le fait. Donc c'est des activités comme ça qu'il faut encourager pour empêcher tout ce phénomène-là. Monsieur Issa Garba de la société civile, quelle lecture euh, faites-vous de cette synergie euh, d'action et de mise en commun des compétences euh, pour pouvoir contribuer à l'éradication de cet ensablement du fleuve, aussi bien du côté des autorités que de l'ABN, l'autorité du bassin du Niger qui réunit neuf pays. Merci Michel. Avant de venir à ta question, moi je pense qu'il y a quelque part que je ne suis pas d'accord avec le chef quand il parle de digue. Je pense mhm. que les digues ne sont plus, euh, ne doivent plus être à l'ordre du jeu non, il dit c'est provisoire. Oui, c'est provisoire. Oui, c'est normal que ça soit provisoire, mais il mhm. faut il faut tenir compte aussi cette année, malgré les précipitations, malgré vraiment euh, l'alerte qui a été donnée par l'ABN, même par rapport à la montée du fleuve. On a vu les digues qui ont été érigées au niveau de la commune une commune 5 et commune 4, ça a quand même fait eh, atténuer l'impact des inondations. Mmh. comprenez, par exemple l'exemple, je donne juste l'exemple après, après le après le l'ancien pont, juste derrière les gendarmes là. L'INGS. Auparavant, vous trouvez euh, le fleuve déborde jusqu'au euh, au mur de l'INGS, mais cette mhm. année quand même ça a été ça a été stoppé. Donc je pense que les digues ont joué cette année quand même un part très important par rapport au débordement du, fleuve. Mhm en ce qui concerne la question de synergie c'est normal. Nous, on a même voulu, on a même voulu que toutes les rencontres qui, qui sont liées au changement climatique, que ces pays-là, ces pays-là, les chefs d'État de ces pays-là se mobilisent pour participer et faire un plaidoyer spécifique sur la question du fleuve Niger. Mhm. Parce que c'est quand même un joyau, c'est quand même vraiment, de, dans notre économie, elle a une part importante elle a un rôle important que euh, il, a le fleuve a un rôle important qu'il joue dans notre économie, dans notre survie, dans notre vraiment dans notre vécu quotidien. Mm-hmm. Ces plaidoyers tels que ça a été fait dans le cadre de la sauvegarde ou bien du sauvetage du, lac Tchad, ça a mm-hmm. été fait euh, à la COP 21. Moi, j'aurais voulu que les pays de la Ben prennent vraiment leur courage à deux mains pour faire un large plaidoyer, un grand plaidoyer auprès de partenaires qui seront intéressés à sauver vraiment ce, cours d'eau-là. Parce que quand même, il faut voir le nombre de personnes, des millions de personnes qui vivent ou bien qui font des activités lucratives autour, autour, euh, euh, autour, de, ce, euh, autour de ce fleuve. autour de ce fleuve. Mm. Donc c'est important que vraiment les pays de la les neuf pays se mettent en synergie pour développer des activités pour au minimum, au minimum, créer les conditions d'atténuer. Parce que mm-hmm. s'ils ne peuvent pas éradiquer ou bien arrêter net totalement à 100%, au minimum, ils doivent créer les conditions d'atténuation. Et je pense que eh, même la question aujourd'hui de la miraille verte, aujourd'hui rentre aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la désertification, dans, le cadre de la lutte contre l'ensablement du fleuve. Mm. C'est toute la bande qui, sera érigée comme, eh, comme euh, verte rentrera sans nul doute dans la protection vraiment de, du fleuve Niger. Donc il est important que vraiment cette synergie d'action que, et surtout que les pays aient vraiment dans le projet qu'il ait vraiment un partage d'expérience. parce que les expériences varient de pays en pays, de projet en mhm. projet. Chaque pays a eu à mettre des projets, soit qui ont eu des difficultés, qui ont réussi, ou bien d'autres pays ont eu des difficultés. Mais il est important aussi que le partage d'expérience et d'informations entre les pays de l'ABN puisse être intégré dans le projet. Et surtout aussi, il faut impliquer les communautés à comprendre que vraiment le fleuve là, ils doivent euh, c'est dans leur intérêt que euh, l'État est en train d'agir et il est important que vraiment ils contribuent nécessairement à la protection de ce fleuve passé. C'est eux qui coupent le bois, même mhm. au pied même du, du fleuve. Et c'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir du fleuve et surtout pour les générations futures qui, certainement, si on ne fait pas attention, ne vont pas trouver grand-chose. Mon colonel, euh, surtout en période d'étiage, on voit ces sables-là en îlot. Et souvent on dit que ce fleuve, euh, il risque de disparaître un jour. En tant que spécialiste, est-ce qu'en réalité ce fleuve, euh, si des actions concrètes ne sont pas faites sur le terrain, on risque de le perdre un jour oui, bon, avant de répondre à votre question, je voulais euh, d'abord assurer M. Issa mhm. que cette synergie des États dont il a parlé est déjà en place. En place. Mhm. Et, euh, je, vous informe que déjà au niveau de l'ABN, mhm. il y a un plan d'investissement, un grand plan dans lequel euh, figure le PIDAC. Donc c'est un certain nombre de, de programmes ce n'est pas seulement euh, ce programme-là, mhm. mais il y a beaucoup de programmes qui sont dans ce plan dont l'ABN est en train de chercher un financement. Et ce, financement-là est en discussion, ou bien ce programme-là est en discussion avec les, différentes, les différents partenaires techniques et financiers. Euh, dont je pense la Banque mondiale est le chef de file. Mhm. je pense que si arrivent à trouver le financement, donc euh, beaucoup de programmes seront mis en exécution en dehors du, du, du, PIDAC dont je vous ai parlé tantôt. Il dit d'amener le plaidoyer au niveau mondial, à la COP21 par exemple. Ils ont même amené ça là-bas. Ah bon, oui, ça a été, ça a été discuté là-bas. L'ABN mm a mhm. amené ça là-bas. Ah bon, ça a été discuté, oui. Mhm. La question maintenant, mon colonel. Oui, oui. La question, comme euh, je vous le disais euh, dans mon introduction, mhm. Et depuis les années 80, nous avons constaté qu'à un certain moment, le fleuve a cessé de couler. Mhm. Et à partir de cet instant, et suite au débat de Maradi sur la désification, beaucoup de projets ont été mis en œuvre. Mhm. Il y a eu des grands projets tels que euh, il y avait un grand projet de la ZTD, euh, GTZ. Mhm. Il y avait le projet Keta, dont vous avez entendu. Le, oui, oui, il y avait eu beaucoup de projets qui ont été, qui ont été mis en place. Et tous ces projets, c'est dans la perspective de lutter contre le phénomène d'ensablement, du fleuve. Et je mhm. pense que et les gens, en tout cas, jusqu'à jusqu'à jusqu'à preuve de contraire, les États n'ont pas n'ont pas cessé de mettre en œuvre ce genre de programme mmh. pour lutter contre le problème d'ensablement. Mais vous savez, le problème euh, d'ensablement est un problème euh, très très très crucial mmh. et qu'il faut avoir beaucoup de moyens. C'est là où il faut parler problème de synergie. Mhm. Parce qu'il y a euh, euh, un manque de synergie entre les différents programmes qui interviennent dans le bassin du Niger. Mhm. Alors que c'est là où la synergie est importante. Moi, je suis en train de faire des récupérations des terres et ici, et dans la zone de dans la zone de Namaro, un autre va faire des récupérations des terres à côté de la commune de Namaro et nous ne savons même pas ce que l'autre est en train de faire. Mm. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à coordonner tout ça mm. pour qu'on puisse réunir nos efforts au lieu de faire la duplication pour que les gens puissent eh, faire des activités qui vont rentrer eh, efficacement dans le cadre de la lutte contre l'ensemblement. Bien sûr, si on ne prend pas des dispositions pour lutter contre ce phénomène, ce qui est sûr, un jour, le fleuve va s'arrêter de couler. Monsieur le coordonnateur, euh, on a longtemps dit d'ailleurs que des actions devaient être menées pour désensabler ce fleuve. À quel niveau êtes-vous euh, par rapport à, ce désensablement du fleuve euh, le, le désensablement, c'est un autre volet. C'est différent de notre programme. Je vais vous expliquer, le, le désensablement, c'est un autre programme. C'est un programme de l'État ah. qui a été exécuté par la Direction générale des eaux forêts Mm-hmm. à un temps récent que vous connaissez. Et vous savez que ce programme-là a été, a été stoppé suite à, des problèmes qui ont empêché aux gens de, le continuer. Sinon, le programme de désensablement, moi je ne dis pas que ce n'est pas un bon programme, mais malheureusement, quand ce programme-là a été institué, il n'y avait pas eu d'abord d'études préalables. C'est justement le, fait qu'il n'y avait pas d'études préalables. il n'y avait pas d'études préalables. Que ça n'a pas continué. ça n'a pas, bon, ça n'a pas continué parce qu'il y, y, y a eu, aussi euh, d'autres problèmes mhm. que peut-être vous ignorez. Mais moi, je pense que le fait d'enlever le sable dans le fleuve n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut faire des études Mhm. Parce que quand vous allez vous enlevez le fleuve et vous enlevez le, le sable, il mhm. faut savoir à quel niveau il faut la mhm. il faut savoir là où le déposer pour que ça ne retourne pas dans le fleuve. Il faut savoir valoriser ce, sable-là. Et il faut savoir comment le faire. C'est pourquoi il faut faire des études plus approfondies, des études techniques qui vont nous permettre de mener à bien ce travail-là. Pendant l'étiage, on voit justement même des gens qui partent euh, là-bas le long du fleuve chercher euh, du sable avec euh, des camions. Est-ce que ça n'a pas de conséquences, mon colonel Oui, bon, vous savez, quand vous, touchez un écosystème, c'est-à-dire l'écosystème, c'est un ensemble d'êtres mhm. vivants dans leur environnement. Mhm. Quand, vous, touchez à un écosystème, c'est des habitats, mhm. en fait. Quand vous touchez un habitat, savez, ce qui est sûr, il y a euh, la faune qui, qui habite euh, dans ces lieux-là. Donc quand vous le touchez, ce qui est sûr, vous allez désorganiser euh, la, la, la vie, la, vie de ces, de ces, de ces êtres mhm. et vous allez aussi créer d'autres problèmes que vous ne maîtrisez pas. Donc Donc pour mener tout ça là, au préalable, il faut faire des études. Oui, oui. Mais le, moi, je pense que si on peut commencer à lever le sable, ce que les camions font, parce qu'aujourd'hui, les camions partent en, dehors du fleuve, ils partent dans des coris qui sont en train de surcreuser encore pour donner plus de, force à l'eau et pour amener plus de sable dans le fleuve. Si on le fait directement au fleuve, parce que eh, je pense qu'au Mali, les gens cherchent le sable du fleuve pour les constructions. Nous aussi, nous pouvons le faire. Ça va nous permettre de débarrasser eh, du fleuve de certains, de certains bancs que nous apercevons. Mais il faut le faire avec plus euh, euh, d'intelligence et avec plus de précautions pour ne pas créer un déséquilibre aussi écologique dans ces milieux-là. Les gens qui le font ne sont pas des spécialistes, ça veut dire qu'il leur faut un accompagnement. Justement, il faut, il faut les encadrer, il faut mm. voir comment est-ce qu'il faut eh, organiser tout ça pour permettre en tout cas à ces gens-là de bien faire l'opération au lieu de créer d'autres problèmes euh, écologiques qui, vont, euh, qui, qui, ne seront pas euh, maîtrisés après. Ça doit être votre rôle régalien. Mon colonel, on a l'impression que beaucoup reste à faire. <laughs> Avez-vous un mot pour terminer Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Issa, pour terminer. Pour terminer, moi je pense que et ce qu'il faut, il faut surtout, c'est vraiment sensibiliser la population. Mm-hmm. Et ça, c'est le devoir, notre devoir en tant que société civile de, faire des projets, chercher des partenariats, chercher des financements pour aller mm-hmm. vers les communautés, les sensibiliser par rapport à tout ce qui y a comme enjeu lié vraiment eh, au fleuve Niger, à la protection du fleuve Niger, à la protection vraiment des, des ressources naturelles qui sont liées, ou, liées ou bien autour du fleuve Niger. Et mm-hmm. surtout, aussi euh, comment euh, les mécanismes vraiment d'utilisation de ces ressources naturelles là parce qu'il faut et, les modes de consommation surtout de ces ressources naturelles parce que c'est ça qui amène véritablement le grand problème parce que si tu as besoin tu, as besoin d'un de, de, kilo de bois et tu coupes 10 kilos alors que ton besoin c'est juste 2 kilos donc tu vois c'est pas vraiment c'est pas rationnel donc il faut que nous amenons les citoyens à plus de responsabilités, à plus d'éco-citoyenneté comme on l'appelle, mhm. pour que vraiment nous puissions protéger le fleuve et que euh, ça, puisse profiter aussi euh, aux générations futures qui vont venir d'ici. Là, faut pas qu'ils viennent trouver juste euh, l'histoire qu'il y avait eu un fleuve comme Aujourd'hui, on nous enseigne que le désert était, c'était, non, c'était la mer qui était restée là-bas et que maintenant aujourd'hui il n'y a que des dunes de sable avec des, des, montagnes. Donc tu vois, et nous imaginons dans nos têtes comment était le désert avec euh, la mer, tout ça là. Donc faut pas que vraiment nos enfants ou nos petits enfants viennent trouver l'histoire qu'il était une fois le fleuve Niger. Merci ça. Euh, mon colonel, pour terminer, est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle que réellement le fleuve là, il connaît un, ensablement progressif ou bien vous êtes en train de maîtriser en ce moment Quel est le degré en fait de l'ensablement en ce moment à l'heure actuelle Est-ce que ça continue ou bien ça diminue Et quel serait votre appel pour terminer mon colonel Oui, ce que j'ai dit, comme euh, je l'ai dit, même si nous avons eu à, à mettre en œuvre certaines activités de lutte contre l'ensablement, c'est pas ça qui va empêcher l'ensablement du fleuve parce que, comme on l'a dit, le fleuve Niger, au Niger, c'est sur 550 km. Alors que tout ce que nous, nous avons eu à faire, c'est sur seulement 60 km. Donc, c'est mhm. pas ça qui va empêcher au sable de, de venir dans le fleuve. Ce qui est sûr, le phénomène continue. Ça continue. qui le phénomène et continue. Et c'est inquiétant, mon collègue. Et c'est inquiétant. C'est pourquoi l'État doit prendre ou bien les États, puisque c'est un patrimoine commun à plusieurs États. Les États doivent, en tout cas. À euh, neuf États. Neuf États, les États doivent euh, se prendre des décisions importantes pour permettre, en tout cas, de mener beaucoup d'activités qui vont essayer de lutter contre ce, ce phénomène d'ensablement. Mais ce que avant de finir, ce que je dois dire aux gens, nous, certes, nous avons eu à faire beaucoup de réalisations dans le cadre du, du programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger, mmh. avec les populations que nous avons formées, que nous avons sensibilisées, que, qui ont eu en tout cas beaucoup euh, de choses en matière de renforcement des capacités. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que tous les sites qui ont été restaurés mhm. sont en train d'être euh, exploités de façon euh, anarchique, si on peut le dire. Certains cherchent même à lotir ces sites mhm. et les vendre. Donc, euh, si de telles opérations continuent, ça veut dire que, quel que soit ce que nous allons faire dans l'avenir, si l'État ne prend pas de dispositions, dans, ce domaine au risque de, tout perdre. Est-ce qu'il y a déjà une loi qui réglemente cela Bien sûr. Mmh. Les sites, un site, quand un site est récupéré, la loi a bien dit que personne n'a le droit de toucher à ce site-là jusqu'à ce qu'il soit complètement restauré. Après, quand il est restauré, on peut définir un plan pour son utilisation. Ça dit les gens le font en méconnaissance. D'ailleurs, nous, pour nos sites, nous avons élaboré des, plans de gestion simplifiés mhm. pour permettre à la population de gérer les ressources de ces, de ces sites-là. Mhm. Mais malheureusement, ces plans-là jusqu'à aujourd'hui n'ont pas eu trouvé de financement, que ce soit au niveau des communes ou bien au niveau des autres partenaires. Alors que si ces plans ont trouvé des financements, euh, les gens pouvaient en tout cas contribuer à à euh, pérenniser ce site et, à, euh, euh, pérenniser les acquis qui sont déjà sur place. Merci mon colonel, fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème l'ensemblement du fleuve Niger. Nous étions en compagnie du lieutenant-colonel Siaka Omoru qui est le coordonnateur du programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du fleuve Niger, une structure qui est sous la tutelle de la Direction générale des eaux et forêts du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous étions aussi en compagnie de Issa Garba, acteur de la société civile intervenant dans le domaine de l'environnement il est coordonnateur national du réseau de la jeunesse nigérienne sur les changements climatiques. Merci à vous tous d'avoir accepté de répondre présent à cette euh, invitation. Nous retenons que plusieurs euh, actions sont engagées par le programme, mais beaucoup reste encore à faire. Des actions d'envergure doivent continuer à être entreprises afin d'arrêter ce phénomène pour la restauration de l'environnement et pour le grand bonheur des populations qui profitent de ce grand fleuve qui alimente neuf pays. Et fidèles auditeurs, nous prenons à présent congé de vous. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation à la technique Issa Laoli, à la réalisation Bawa. Rendez-vous demain à la même heure pour le forum de la presse de votre studio Kalangu. D'ici là, passez une excellente soirée et au revoir.